ma santé yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam damay sante suñu borom encore une fois bima ma katan kattan lay ak doole bima mune continuer di assister la population tiessoise parce que li dugulet si tey commencé wu ma ko tey commencé wu ma mais yàgg na si man ñi fi nek ñep attesté nañ ko témoignage yi wané na ko dafa fekk ne président de la république Macky Sall sa bu xé mu ngi wax ak askanam askanam moy ñi mu njëkk fal jox leen à des postes de responsabilité faw ngeen tourné gestu askan bi jàppale leen waaye ñun daf ñu fekk si ndimbal googu mooy ñu gestu ñi nga xamante ne population bi la parce que jamono gi métti na métti goo xam ne as tuut la yàlla wërsëgal tourné ko nga gestu sa population tourné ko nga gestu ñi nga xamante ne yaakaar nañ la te yàlla ra tax nga gestu leen taxaw leen accompagner leen dimbal leen moo waral tey suñu ndimbal ñu commencé ko si Cees te lawal nañ ko si daara yi ak les familles religieuses la preuve yemalew ñu ko fii parce que dañ ko tas di ngeen ko déggaat di ngeen ko gis si dëkk bi parce que ñun loolu lañu ñu yàgg a def di dimbali daara yi di jàppale néew di doole yi di jàppale surtout jullit ñi parce que ñun ñëpp ay jullit lañu def nañ ko ci chrétiens yi def nañ ko fépp témoignage yi gis nañ ko da ngeen population thiessoise di ko def xëy na dañu yokkaat li ñu doon def loolu yëpp dañ koy sant yàlla suñu borom may interpellé sama yeneen membre yi nga xamante ne président jox nañu ay ndombal tànk mbir mi yaatu na ñëpp xaj nañ si la ma def bu ko Jean defoon Jacques Paul ou Antoine je pense que Thiès dinañu régler problème bi du ben nit lañ fi fal du ñaari nit mais nañu dawal yërmande ci population bi nañu gessu askan bi xamna yalla moy dogal ñun ñu yalla denk nañ leen gessu dimbali leen comme ni ñu ko président de la République santé parce que le président Macky Sall toute seule et son épouse ne peuvent pas tout faire mënuñu def lépp dañu fal pour ñu dimbali nit ñi kon li ñu jox nañ ko yeggali population bi lolu mo waral sama taxaway mo waral tay sama dimbal

lii ma leen indil jàpp leen ne sama ñàkk la sama yéene la sama diggante ak yéen cofeel ak dëgg gi dox sama diggante ak yéen du mbirum parti politique du mbirum dara dama ko def population thiessoise bu doon mbirum parti politique la bi may xëccoo mairie ñu ma laaj tey sama loxo mais tey laa leen gën a jege tey laa leen gën a taxaw tey laa leen gën a dimbale donc sama diggante ak yéen du mairie la du affaire pouvoir moo tax mais yàlla daf ma bàqee nii bi ma juddoo ba léegi bépp xale damay dimbale ay nit te yàlla tax même lu ma mënul sax dinaa ko jéem a def ni mu toll jàpp leen ne nii la toll lu waay amit ngeen xam ne noonu la toll waaye sama yéene ëpp na sama diggante ak yéen danañ ko tas yéen ñëpp di ngeen def la preuve joxe naa fi ay billet Makka may naa fi ay billet Makka jigéen yaa ngi nii gis nañ ko donc loolu du guleet loolu démb la tey soog a ñëw te ñaan naa yàlla di continuer di ko def Non, le président de la République li mu mën mu ngi koy def si askanu Sénégal waxuma sax population tchèsoise, mais au Sénégal ba si diaspora le président Macky Sall chaque jour ko il fait, ngi Dakar Kassou pour trouver une très bonne solution par rapport à la vie quotidienne des populations sénégalaises la preuve les choses sont en train de se parler d'elles-mêmes Mon ngi koy def mu ngi koy liggéey mu ça. koy jëfee saa su ne kay ñun ñi mu fal

deug encore une fois parce que lepp lu mu mës wax dara du ci deug la ma waxoon tey laay firndeel waxaat ko dëggal ko Ousmane ñaari jangoro la jangoro jàngoro ak jangoro sexe moy souf gi lolou ñëpp xam nañ ko la preuve biñ ñee doo feebar dañ ko empoisoner te dara mu si bi mu démé clinique ba gis ngeen ko yéen ñëpp ay médecin wax nañu ñi fa rek wax nañu ay gynécologue ñoko doon suivre cela veut dire que lama ma demb mom lay dëggal tay lama ma ne infection urinaire là, l'histoire m'a donné raison parce qu'il a été suivi par des gynécos. La preuve, kogo ay waxam wax dëgg yalla duma ci si samay dom koo xam ne lu mu wax saafoo naa ki jëmmam ak comportement ma ki la preuve tay population sénégalaise bi tourner nañ ko le dos parce que xam nañ ne non seulement nitu fitna la salafiste la terroriste la ay jëfam ak i doxalinam nañ ko la preuve

Fila Judo, Fila Magé, sens interdit parce que maag ñom ben lañu waye nak amna lo ko nangu le président Macky Sall kenn moy sama candidat muy le président Macky Sall te gëm na ne ñi ñëpp mom lañu donc rek jarna sante mais tout tontu parce que bima dalé wax ak mom ba Ousmane tontuma parce que Ousmane c'est xamna né ne ko xamna ne nañ parce que li mu fi sàq woon ay jamono wut même koñ bi la dekk muy dixième e mom xamna man xamna su beugé ma xuus nama tontu. Euh, man je lui lance un défi il n'a qu'à me répondre bis buma ma bis buma tonto sénégalais dinañu déglu lo xamante ñuko commencé won bàyyi ngir samay déclaration dañ kon ne di ko ci carton yalla suñu borom et je lui lance un défi. wa mais la preuve lii mo fi indi won damay genn dem pour préparer le procès de Mame Niang et j'en profite pour faire un appel à l'UNG pour la consolidation de toutes les forces vives de Benno Bokoyakar autour du président de la République autour de notre frère Mambé Je demande de nous mobiliser comme un seul homme, réunis derrière cette personne, accompagnés au niveau du terminal pour faire face à ce terroriste, à ce pyromane qui est une calamité pour le Sénégal. Allez, il suffit simplement d'aller sur Google, taper mon nom,

parti ben, permettez-moi d'abord de rendre grâce à Allah le Tout-Puissant qui m'a donné la force et les moyens d'assister comme chaque année les nécessiteurs comme nous a toujours inculqué le président de Vous l'avez constaté, presque la majeure partie de la population tchessoise sont là. Alhamdulillah, je peux dire. Vous avez octroyé du riz, du, riz euh, du, sucre et des dates. Donc euh, nous sommes au moins bénis du ramadan. C'est très normal qu'on puisse assister mhm. à la population tessoise. Est-ce que vous pouvez revenir sur le coût Non, je ne peux pas, sérieusement. Parce que les bienfaits, on n'a même pas besoin d'énumérer le montant ni la somme. Mhm. La fois passée, j'avais énuméré un montant que je regrette d'ailleurs. Mais je pense que un bienfait n'est jamais privé. Vu, le nombre de personnes qui est présent ici, qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à toutes ces populations ben, J'ai ressenti de l'émotion. Pour moi, on doit pouvoir assister les nécessités. C'est des valeurs qui nous ont été inculquées par le président de la République. Je pense que tout responsable, toute autorité doit pouvoir assister la population, sa population. Parce que quand nous nous sommes nommés à des postes étatiques, c'est très normal qu'on puisse revenir en arrière pour assister ces gens-là. La preuve, vous l'avez vu. Et en ce qui me concerne, ce n'est pas une première quand même. Vous l'avez vu, vous l'avez constaté et vous avez écouté les témoignages de certaines personnes. Et c'est des choses qui me renforcent et me fortifient d'ailleurs. En marge de cette cérémonie, parlons politique. Hier, le président Ousmane Sonko a fait une sortie est-ce que vous, avez suivi sa sortie Vous savez, moi je l'ai tantôt dit que je n'ai jamais cessé et je ne cesserai jamais d'utiliser un dicton chinois qui disait que le mensonge peut faire le tour du monde le temps que la vérité met ses chaussettes. Je l'avais dit, je le redis et je continuerai encore une fois à maintenir mes propos par rapport à ça. Ousmane Sonko est une calamité, une personne dangereuse pour la cohésion sociale. Voilà un être qui est nuisible à la population et nous jeunes de sa génération. Quelqu'un, même s'il dort, il ment. Même s'il est avec ses épouses, il ment. Il a une maladie incurable qui est le mensonge. Son Sonko a deux problèmes. Les deux problèmes, c'est le sexe et le mensonge. Vous l'avez vu, je l'avais dit la fois passée qu'il avait une infection urinaire. La preuve, il a été, été, la preuve, il a été, il a été consulté par un gynéco. Et vous l'avez vu, et vous l'avez constaté vous-même. Et ces tentatives d'intimidation ne passeront pas. L'État fera face. La preuve, aujourd'hui, vous ne les verrez même pas sortir. Moi, quand je dirigeais des grèves et autres, je suis Tchessois, les gens me connaissent. J'ai toujours été devant. Qu'est-ce qui les pousse d'être devant et de faire sortir leur famille Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ils ont donné rendez-vous le 3 février. Ah, mais vous savez, avant le 3 même, aujourd'hui à Thiès, moi je l'avais décrété qu'il n'y aura plus PASSEF à Thiès. La preuve, ils avaient appelé à un rassemblement, à une marche. Ils n'étaient même pas 10. Vous étiez là-bas, vous les journalistes, et vous l'avez constaté. Personne n'était sur place. La preuve, PASSEF n'existe que de nom. Parce que le président du PASSEF, encore une fois, est un bonimenteur. Et la preuve, ces mensonges sont en train d'être découverts par la population sénégalaise. Mais j'avais porté plainte et il y a des jeunes qui ont été arrêtés et mis en prison. Je connais toujours à maintenir ma plainte par rapport, à cette tentative d'assassinat. Parce que PASSEF, dans sa globalité, n'est rien d'autre qu'une association de malfaiteurs doublée de pyromanes et de salafistes. Là, pour vous l'avez vu, le procureur général l'a confirmé hier, que nous avons affaire à une association de terroristes et l'État fera face, Inch'Allah. Mais, mais, beaucoup ont été laissés hier par le procureur. De mais peut-être, eux, ils savent ce que nous ne savons pas. Pour les secrets de l'enquête, je m'en vais vraiment limiter là-dessus. Mais il n'ose pas le faire parce qu'il sait que je le connais. Je connais l'homme, je l'ai pratiqué. Je l'ai pratiqué. Il est, de il est de la même génération que ma personne. Son comme me connaît, je le connais. Et jamais je dis bien, il n'osera répondre à mes accusations. Parce que moi, je ne parle jamais pour parler. Je parle sur des faits réels, visibles et tangibles. La preuve, la fille est là tout près. J'ai beaucoup de respect et de considération pour cette famille-là. Mais s'il me pousse, je vais parler. Lui, il sait, je, sais, je connais. Il sait, je sais. Ah mais c'était ici même. Lui, il sait que je connais. Il n'a qu'à me démentir et il verra. Moi, je parle sur des faits et des preuves. Il ne va jamais me, il va jamais me démentir. Parce qu'il sait que je, le connais. Et j'ai beaucoup de respect pour cette famille-là qui habite tout près de chez ma mère.